vous êtes en danger permanent, quest ce que ça, c'est une vie, ça Comment Vous ne voulez pas votre vie Mais vous voulez vivre non pour aller en Italie. Mais vous, vous risquez. Mais ici, tout ce désert-là, c'est plein de corps de migrants. C'est plein de corps de migrants. Est-ce que ça vaut la peine Non, c'est pas bien. C'est des dangers partout, partout, c'est des dangers. Ici, avant que vous sortiez, nous, on va vous ramener. Vous allez retenter. Ils vont vous abandonner. Vous allez mourir. On peut vous faire visiter les cadavres. chaque fois quand on circule, on trouve des corps. On enterre. On trouve des corps. On enterre. Est-ce que ça vaut la peine Et puis là, c'est le mois le plus chaud. C'est le poids le plus mortel. Le mois le plus mortel. Now, May is the, the, the, month in the year. It is the most dangerous month. You, you are in the most dangerous period in the year. When it is cold, you can try and uh, you can success. But now, it is not possible for you to reach Libya. No, it is not possible. You have to die while you think that you will go to Libya or uh, far. So the advice I have to give you because I'm your father is to go back home. Go to the OEM, they will take care of you and they will return you back home. Le mieux que vous avez à faire, c'est d'aller au camp de l'OIM e à Dirkou. Ils vous prennent en charge, ils vous ramènent chez vous. Vous renoncez, vous allez mourir. Vous n'avez pas deux vies, attention, vous n'en avez qu'une seule. Et c'est pour la vie que vous partez, ce désert-là, les mesures que nous avons prises, les mesures qu'ont prises les Libyens. Vous pouvez, on va vous traiter en esclave. Vous allez disparaître. Il y a combien on, vient de découvrir aujourd'hui des cadavres d'il y a deux ans. On a vu sur leur papier. Ils sont secs. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'oiseau pour venir dévorer votre cadavre. il s'assèche totalement, vous vous asséchez comme ça. À quoi ça sert Regardez, you are, you are strong, you should stay there in Nigeria and you should work there. There is possibility for you to have a job, even if it is difficult. But this, it is dead, it is not life. You should know that and you should renounce. It is not possible. This challenge is not possible. You should know that. the better you have is to go back home. Vous avez compris Le mieux, c'est que vous retourniez à la maison. Qui veut retourner chez lui Qui Un seul, deux, trois, quatre. Retournez, c'est le conseil que je vous donne. Retournez, retournez chez vous. On accepte ça ceux qui, veulent partir, ils ne peuvent pas aller, ils vont souffrir. Ou ils retournent, après ils vont retourner, ou ils meurent. Mais ce n'est pas possible. Nous, on ne permettra pas. Le gars qui vous a déposé, c'est parce que c'est que nous, on va l'arrêter devant. C'est parce que c'est qu'on va l'arrêter. Et lui, il fait la prison. Nous avons 100 et quelques qui sont en prison. Les passeurs, là. Qu'est-ce qu'ils font Ils vous prennent,